toll dafa am standing boo xamante ni dafa kawe. Mm-hmm. te autorité étatique yi il faut ñi bu waruñu réer mbir ni équipe bi dafa toll foo xamante ni mënoo ko mm-hmm. wàcc. Mm-hmm. xam nga parce que dafa football dafa am lu mu laaj. donc euh, bool bàyyi xel match bu ñuy jëm demal nii contre. Euh, contre Malawi. match boobu normalement bu ñu fubalee contre Malawi nit ñoo war a jiitu Malawi ma dëkkam. lan moo waral loolu parce que dafa am la maîtrise de la logistique. te loolu standing équipe nationale moo ko waral. il ne faut pas que ñi xalaat ñi jàpp ni équipe bi équipe la nii rek. dafa cher boo xamante ni dafa cher ou bien mm. bu ñu déplacé wu on comme fasse déplacer l' équipe par vol commercial loolu erreur la. Mm-hmm. dañu bu ñu bëggee reconquérir l'

qui a tendance à opposer, n'est-ce pas, le peuple et les partis et, et les pouvoirs politiques. loolu définition populisme. Mhm. au jour d'aujourd'hui on n'est pas à ce stade-là. il faut que nous comprendre ni Sénégal dafa toll le xamante ni warul wàccee. Mhm. standing am loolu nag du ñu waaye gars fi indi entraîneur yoo xamante deux millions nga fait di fay wala trois millions non si on veut vraiment conquérir le monde euh, l'Afrique euh, l'Afrique du football il faut qu'on mette le prix wax nga tour ils peuvent faire partie partie du projet effectivement ku Omar Daf jàpp remplacer valablement Aliou Cissé parce que il a côtoyé cette équipe d'Aliou entre 2017 euh, et 2021 euh, à chaque fois que équipe bi di wara préparer présent mu très présent en 2018 jo joxe joxe mhm. accompagner gars yi aussi c'est accompagner ko carrément gis nañu ça Russie moo mhm. euh, euh si équipe nationale Sénégal Régis Bogaert ko ci kaw. Mhm. donc ku melni ne Habib Beye aussi il pourrait faire l'affaire. il a fait ses preuves. xam la bon est-ce qu'il a fait ses preuves. Ah, je ne sais pas. nit ki waaw xam est-ce qu'il a fait ses preuves je ne sais pas mais.